Du, du, problème du lycée de Kersosé, parce que Kersosé a deux CM, en l'occurrence Mbouma et Kersosé lui-même, Kersosé commune. Et les deux lycées cumulés, on a des deux CM cumulés du moins, on a plus de 400 élèves qui sont dans ces deux, dans ces deux CM, avec euh, un taux de réussite de 90% en moyenne. Donc euh, <clears throat> chaque année, il y a beaucoup d'abandon qu'on note, note au niveau des élèves, surtout au niveau des filles. Et c'est un réel problème. <clears throat> Maintenant, euh, nous en tant que jeunes, sensibles aux conditions de vie de nos frères et sœurs, nous nous sommes levés aussi pour au moins parler, pour que les autorités nous entendent pour, qu'ils puissent apporter au moins des solutions par rapport à ça. Donc avec 71 villages, un, une commune qui a 71 villages, 2 CM, je pense qu'elle mérite, largement d'avoir un lycée. Et c'est pour ça qu'on élève la voix pour demander ça. La municipalité aussi, s'il peut faire des, démarches concernant, concernant ce problème, qui est la route de, communément appelée la route de Daban, parce que chaque année, on a remarqué que même euh, avec des pluies biométriques qui sont très déficitaires les années passées, la population avait des problèmes pour sortir de, cette contrée. à plus forte raison, cette année où on a ressenti, on a, eu de très fortes pluies. Et voilà, ils sont totalement coupés de ce qui se passe ici, euh, du reste de la commune et de Kaolak pratiquement. Et c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il y a des femmes qui sont là-bas, qui sont enceintes, qui doivent accoucher, qu'on doit évacuer à Kaolak. Et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin au 21e siècle, comme je l'ai dit, d'avoir des, des nés parce qu'on n'a pas de route. La commune de Coursosé, c'est une commune qui est en Kaolak, mon lycée. Et nous avons vu l'école, les avons des résultats qui sont bons. Nous avons des CM, CM ku nek mbuuma daf na à 100 pour cent résultat bi am bu ko sosi commune mu euh 80 environ 80 pour cent suñ xoolee résultat yu bax yoy chaque année euh, école bi diko ko euh suñu rak yi suñu jénnee di jangani di dem fenen dañuy am problème mu euh problème yooyu nag da leen di waral suñu jógee collège di dem lycée seen niveau day yàqu duñ am ku leen dalal foofu dañuy mujj bàyyi jàng gis nañ ay jigéen ay cas yu bëri ay xalee jigéen dem nañ ba seen jàng du yàqu lu ko waral mooy euh, dañoo dem amu ku leen dalal seen niveau commencé di yàqu ñu ne nag en tant que mouvement citoyen de la commune de Keur Socé dañuy toog jog pour ñaawlu lool pour wax autorités yi dégg ñu ne leen ñun commune de Keur Socé ñu ngi laaj ñu jox ñu ñu defal ñu lycée fii si commune bi ñu commencé ren ouverture d'une classe de seconde. bëgg nañu àdduwaat si beneen point muy yoon boo xam ne mooy trajet boo xam ne jógee euh, Ndiédiène tracé Batra jëm Dabaan moom la ñuy wax xuuram Dabaan dem ba Kaolack boobu gis nañ ne heure bu yàlla ji tawee ñun ñu dëkkee zone boobu yëpp dañuy am jafe-jafe pour traverse foofu dem Kaolack soo doon def 4 kilomètres pour dugg Kaolack su boobaa da ngay def euh, triple bi. pour mën a yegg Kaolack gis nañ ne loolu day freiner économie bu loon def noonu di tere baykat yi mën a jot seen i tool am na ñoo xam ne ay jigéen ñoo xam ne dañoo wan lor suñu bëggee di dem dañuy am problème pour romb lool te monde bu ñu nekk nu sommes au vingt et unième siècle le monde marche à une vitesse dëgg-dëgg na war nañuy dépasser ay problème mu yoon ñu ngi lancé appel autorité yi ñu defal ñu benn pont boo xam ne danañu mën a jàll si ndox moom ba du am benn jafe-jafe